Salut les amis du Patriot Inter, merci encore de la confiance renouvelée et surtout merci de continuer à vous abonner. Nous allons parler de l'équipe nationale du Sénégal, ou plutôt des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, dont un qui évolue actuellement au Paris Saint-Germain. Il s'agit d'Idriss Ganagay. Idriss Ganagay poussé vers la sortie par Leonardo. La raison elle est toute simple, le PSG et Tottenham sont tombés d'accord sur euh, l'arrivée de Delali au Paris Saint-Germain. C'est un dossier qui commence à traîner mais qui pourrait bien trouver une issue positive. Tottenham et le Paris Saint-Germain donc ont, ont trouvé un accord pour le prêt de Dele Ali donc loolu la ñu wax ne fi mu ne Ali moom day dem Paris Saint-Germain c'est presque presque presque sûr et dans cette optique Leonardo mi nga xam ne moom dafa bëggoon ñu jaay leen ki nga xam ne mooy Ali avec option d'achat ñoom dem nañ si benn instance ñu négocier pour dugal si ki nga xam ne mooy Draxler le joueur allemand mais également Idriss Gana qui sont des jeux deux joueurs indésirables au niveau du Paris Saint-Germain mais quand même Tottenham ñoom nee nañ bëgguñu des joueurs yooyu noonu ñoom il serait beaucoup plus favorable à ce que Eriksen mi nga xam ne ñoom ñoo ko jaayoon Inter Milan daal di ñëw ba tax na jamono ji ce qu'on peut dire, c'est que Delali se rapproche du Paris Saint-Germain et Idriss Ganagay fait partie des départs annoncés ou des indésirables au niveau du Paris Saint-Germain. Lui qui avait bien commencé dès son arrivée, il lui, c'est la priorité de Thomas Tuchel qui l'avait fait, venir. Idriss Ganagay avait convaincu tout le monde lors de leur première rencontre en Ligue des Champions contre le Real de Madrid et depuis lors, depuis lors, rien du tout. Dara Amotoul, Idriss Ganagay est devenu aphone, on ne le reconnaît plus, il est en méforme, mais en tout cas, en tout cas, d'ici la fin de la saison, Idriss devra faire ses preuves, au moins en tout cas d'ici euh, euh, les compétitions à venir, en savoir donc contre le Barça, si bien entendu il a l'occasion de jouer. C'est question, sur Moko dit il faudrait que Mouane Beden visage aux entraînements pour que Mauricio Pochettino puisse lui faire confiance, parce qu'effectivement il est possible d'avoir...